18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Monsieur, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. C'est un espace euh, d'échange et de débat que vous propose le Studio Kalangou. Aujourd'hui, le forum est consacré à la problématique liée à l'accès à l'information au Niger. Avec nous ce soir, Moussa Maman Murtala, communicateur du Conseil supérieur de la communication. Moussa Maman Murtala, bonsoir. Bonsoir, Il y a également euh, Seydou Jibril, euh, journaliste et cyber-citoyen. Euh, Seydou Jibril, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Lamine Souleymane, directeur général du groupe de presse Niger 24. Lamine Souleymane, bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, je le répète, euh, au menu de ce forum euh, ce mercredi 22 février 2017, la problématique liée à l'accès à l'information au Niger. Avant peut-être euh, d'entrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler cette disposition de l'article 31 de la Constitution du 25 novembre 2010 euh, qui stipule que toute personne a le droit d'être informée et accéder à l'information détenue par les services publics dans les conditions déterminées par la loi. En 2010, pendant la transition militaire, le Conseil consultatif national a adopté l'ordonnance portant charte d'accès à l'information publique et aux, documents administratifs. Euh, alors, question, pourquoi six ans après son décret, euh, six ans après euh, son décret d'application traîne encore avant de répondre à cette question, écoutons d'abord quelques citoyens usagers de l'administration interrogés ce matin par Hamado Omomouni pour accéder à l'information, il te faut déjà une autorisation. Celui ou celle qui est censé de te délivrer cette information ne te rend pas les choses euh, de façon aisée. Souvent, ils le compliquent. Quand tu te présentes euh, déjà, ils prennent tout leur temps pour te répondre. Pourtant, c'est un droit. Oui, on le sait très bien que c'est un droit, surtout si on a une autorisation. Souvent, c'est les gens censés de nous donner l'information qui nous aident pas. Et toute la difficulté repose sur ces gens qui, soi-disant, qui sont là pour aider les citoyens, mais qui ne le font pas. Il faudrait souvent de les sudoyer par quelques billets pour qu'ils acceptent ou bien qu'ils accélèrent le fait qu'ils te donnent cette information. Vous avez l'habitude de donner quelque chose Non, moi personnellement non. Surtout si j'ai une autorisation, pourquoi je vais donner Je sais que la personne est là, mais j'ai surtout l'habitude de me disputer avec les gens parce que je sais que c'est leur boulot, ils sont là pour le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout le monde ait accès à l'information sans problème Je pense que c'est une sensibilisation. Aujourd'hui, quand vous partez dans tous les pans de l'administration, quand vous cherchez n'importe quel papier, il faut glisser ce qu'on appelle le caillou. Ça veut dire que si vous ne donnez pas quelque chose, vous n'aurez rien. Donc euh, vraiment, c'est une situation qui est déplorable, mais on fait avec. Vous avez vécu des cas comme ça Oui, bien sûr. Je ne me rappelle pas, je suis allé chercher un papier, c'était même pour un parent. Mais le gars m'a tellement fait revenir que finalement, c'est quelqu'un qui m'a dit, mais écoute, c'est parce que tu n'as rien donné. J'ai glissé, comme on dit, et le gars m'a dit, écoute, tu reviens demain matin, et il m'a donné le papier. Donc vraiment, c'est déplorable. Un service public pour lequel le fonctionnaire est payé, il n'a vraiment pas le droit de demander quelque chose. Il y a un accès, disons, mitigé euh, à ces informations-là, parce qu'elles ne sont pas toujours disponibles, parce que souvent, pour une raison ou pour une autre, ces informations sont euh, frappées de confidentialité ou sont purement et simplement refusées. Donc, sur le terrain, l'accès est extrêmement difficile. C'est la faute à qui Disons d'une manière générale que c'est d'abord la faute des citoyens, parce que vous savez, dès qu'un droit est octroyé à un citoyen, il doit en faire jouissance. De l'autre côté également, vous savez qu'en général, euh, notre administration est à la fois bureaucratique et très très centralisée. Si aujourd'hui vous voulez obtenir une information administrative euh, dans un ministère, par exemple. Tant que le patron n'a pas donné ordre, on ne va pas vous la donner. Dans le cadre de la recherche, dans le cadre même du travail que vous faites quotidiennement pour informer les citoyens, vous allez voir que le responsable peut vous dire qu'il n'a pas ordre de vous donner et donc vous n'aurez pas l'information. Donc, d'une manière générale, il faut bien dire qu'il y a la faute des citoyens qui ne font pas de ce droit une exigence et de l'autre côté, la peur euh, ou je ne sais comment on va l'appeler, en tout cas des responsables qui euh, sont attachés à la hiérarchie, attachés euh, à des valeurs un peu rétrogrades, si on peut le dire. Vous, en tant que citoyen, est-ce que vous avez l'habitude d'avoir des problèmes pour avoir pour l'information dans l'administration En tant que citoyen, mais également en tant qu'acteur de la société civile, en tant que syndicaliste également, euh, je sais que certaines informations, pour que je puisse les obtenir, il faut à la fois de la patience, il faut pousser pour pouvoir obtenir. Et là également, on n'a jamais toute l'information. D'ailleurs, quand vous êtes journaliste, quand vous êtes acteur de la société civile, quand vous êtes euh, euh, syndicaliste, il vous est plus difficile d'accéder euh, à ces informations qu'à un citoyen ordinaire parce que on a peur de l'usage que vous allez en faire. Nous allons commencer avec le communicateur du Conseil supérieur de la communication, Moussa Mamamurtala. Vous venez là de suivre les réactions de quelques citoyens interrogés ce matin. Pourquoi, selon vous, l'application de cette loi traîne encore au Niger Bon, merci Mokhtar. Euh, je me permets de remercier le studio Kalangou qui nous donne cette opportunité de nous exprimer par rapport à cette question. Alors, euh, vous l'avez dit euh, dans votre introduction, l'accès, le droit à l'information, c'est un droit constitutionnel. Justement, c'est la constitution du 25 novembre 2010 justement qui a, <coughs> qui a statué par rapport à cela. Et euh, en 2010, euh, notamment le 23 février, euh, pas en 2010, mais plutôt en 2011, notamment le 23 février, l'ordonnance 2011-22. C'est le texte amendé. Justement, charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Et évidemment, c'est cette charte-là, c'est le <coughs> décret d'application de cette charte-là qui n'est pas encore signé mais je crois que c'est en bonne voie parce que eh, je dois ici rappeler que le six ans, un peu plus de six ans après oh, oh, Le CSC, donc je vais parler de l'institution euh, que je connais quand Le CSC <coughs> n'a pas, euh, justement, ne propose pas de loi. Mais quand même, il a fait un plaidoyer avec, un euh, partenariat avec OSIWA pour faire un projet euh, de décret d'application justement de, cette charte euh, d'accès à l'information publique. je crois que euh, c'est en bonne voie, ça va être, nous l'espérons, signé très bientôt. avant, il faut le rappeler, c'était le ministère de la fonction publique qui, était, qui avait la tutelle de ce, de ce, de ce projet justement de décret d'application. Mais présentement, ça, va être le ministère de la Communication et nous espérons que ça va être euh, signé très bientôt. Bon, euh, pourquoi jusque-là les, gens n'ont pas accès à, l'information publique euh, C'est difficile pour moi de le dire, mais quand même j'ai suivi la réaction de ces citoyens-là par rapport à la question. D'abord, pour les citoyens d'eux, il fallait faire la différence entre avoir accès à un service public et avoir accès à, une information publique. C'est deux choses différentes. Euh, en principe, je pense que euh, un service public, lui, il ne demande pas, il euh, il sait pas tout un protocole pour pouvoir y accéder. Et par rapport à l'information publique, je crois que <clears throat> il y a un, si vous voulez, déficit d'information relativement au contenu de cette charte. Je crois que il, est, il, est, grand temps que tout le monde se l'approprie pour savoir véritablement de quoi il s'agit. Moussa Maman Mourtala, on va revenir vers vous, le temps de donner la parole à Seydou Gibril, euh, qui est lui journaliste et cybercitoyen. Seydou Gibril, euh, vous venez là de suivre les quelques la réaction de quelques citoyens. Quel euh, commentaire cela suscite en vous c'est très simple. Dans une démocratie, euh, l'accès à l'information, j'allais dire à la bonne information, est un gage de bonne gouvernance, gage de, transparence dans la gestion des biens publics. De quelle information il s'agit ici C'est de, cette, euh, de ce type d'information qui est souvent logée au niveau de l'administration publique. Vous savez, nos administrations, malgré la démocratisation, euh, continuent à adopter une certaine attitude qui peut-être a été héritée de l'ère coloniale où l'information euh, qui est logée en leur sein euh, est frappée souvent du sceau de, la confidentialité, j'allais même dire du tabou. Donc évidemment, euh, les temps ont changé parce que nous sommes euh, non seulement à l'ère euh, de la démocratie, donc qui veut dire pluralité, qui veut dire liberté d'expression, qui veut dire liberté de presse, mais nous sommes aussi à une période de véritable mutation technologique, puisque les canaux d'information, les canaux d'expression euh, se sont euh, considérablement développés et euh, diversifiés. Donc aujourd'hui, les citoyens là de cette époque de libre expression, de cette époque d'usage multiple des technologies de l'information et de la communication, se sentent à juste titre frustrés du fait de ne pas accéder à certaines informations il n'y a pas que les citoyens, il y a aussi euh, un pan important de ceux qui euh, cherchent cette information, euh, c'est notamment la presse, les journalistes. Il y a aussi les activistes, c'est-à-dire ceux qui militent dans les ONG, ceux qui sont de la société civile. Mais vous avez aussi les chercheurs qui, dans le cadre de leur travail universitaire ou autre, euh, auront besoin d'accéder à certaines informations logées au sein euh, de, nos, administrations. Le, problème, euh, M. Murtala l'avait mentionné tantôt, c'est que, vous savez, dans nos pays, généralement, au niveau législatif, on a une très belle charpente, j'allais dire même une très belle architecture euh, mais il reste que la mise en œuvre des textes euh, reste euh, un véritable goulot d'étranglement. La jouissance des textes reste le talon d'Achille. Et pourquoi, selon vous Parce que justement, je crois qu'il y a un surcroît de, de, pression que les citoyens eux-mêmes doivent exercer sur les gouvernants, parce que c'est la participe de la simple expression démocratique. Il y a aussi le fait que jusque-là, comme je l'ai dit, notre administration continue à garder les stigmates, entre guillemets, euh, d'une certaine époque pour le cas du Niger, peut-être de l'époque coloniale, mais aussi euh, d'une certaine période de, euh, de, parti unique, mais aussi de régime d'exception que nous avions connu. Et malgré la démocratisation, nous n'avions pas jusque-là réussi à faire notre véritable mu en termes euh, de facilitation d'accès à l'information. du Gibril, on va revenir vers vous, euh, mais le temps de donner la parole à Lamine Suleiman, directeur général du groupe de presse Niger 24. Lamine Suleiman, vous venez là d'écouter les quelques citoyens euh, interrogés ce matin. Est-ce que cela suscite un commentaire à vous? <coughs> Oui, eh, très bien, euh, merci. Euh, oui, cela, bien évidemment, en tant que eh, journaliste, usager de l'information et, eh, et, en même temps acteur, je dois dire que le commentaire fait par ce citoyen et par mes collègues ici présents dans ce studio ça réveille en moi euh, une véritable, euh, je vous dirais, préoccupation. préoccupation parce que, en tant que journaliste, nous, assez souvent, euh, cette problématique d'accès à, l'information publique et aux documents administratifs se pose assez souvent quand on veut vérifier une information. Parce que les journalistes, à chaque fois, ils disposent d'une bribe d'information. S'il est professionnel, donc, il a intérêt à vérifier cette information. Et, le plus souvent, il sortent souvent au silence des acteurs qui sont censés lui confirmer cette information ou euh, carrément souvent il est il se, il se fait rabrouer et, vous n'êtes pas sans savoir que dans certaines euh, catégories d'administration publique euh, les journalistes euh, il est même euh, souvent considéré comme un paria quand vous tapez à la porte d'un responsable pour dire que vous il y a un journaliste aussitôt qu'on n'annonce sa présence, tant que c'est pas lui qui l'utilise, qui veut le voir pour l'utiliser à d'autres fins, euh, naturellement pour le manipuler, pour donner une information qui nuit, tant que c'est une information d'utilité publique, euh, c'est quand il est gentil envers lui qu'il va lui faire comprendre qu'il faut que d'abord qu'il reçoit un ordre. Comme c'est du Djibril, selon vous, ça pose également le problème de la transparence Ça pose un problème de transparence parce que les gens n'aiment pas la transparence. Voilà tout le problème ils, jouent tout le temps au cachotier Ils veulent pas que, que l'opinion comprenne dans quoi ils vivent, qu'est-ce qu'ils mijotent de jour comme de nuit. Ils ne veulent pas. Et voilà pourquoi moi je crois. C'est vrai, il y a le relan un peu euh, euh l'ère que euh, euh, l'époque, je coloniale, où les gens, il a parlé des stigmates entre griffes. Les gens sont habitués, mais assez souvent c'est un problème de transparence. Les gens veulent évoluer dans l'anonymat. Ils veulent pas qu'on sente qu'est-ce qu'ils font. Ils veulent, pas que l'opinion apprenne. Et ce qui fait que tout document, il est frappé du sceau de secret l'année dernière, vous avez suivi ou, quand on a arrêté certains de nos confrères sous prétexte qu'ils ont diffusé une information, un document sous-scellé. Alors, c'est quoi un document sous-scellé Un journaliste, est-ce que lui, il peut savoir qu'un document, il est sous-scellé il a, On lui a donné une information, il vient vérifier, il a un document qui est authentique, il a donné son information, et le juge l'a pris comme quoi, sous prétexte qu'il a, publié un document sous scellé. Donc, dans un pays comme ça, eh, vous j'avoue que eh, pour voir cette loi, eh, le décret d'application, s'il n'est pas à, cette date, six ans après l'adoption d'une loi, s'il n'est pas pris, ce n'est pas un fait de hasard. Ce que les gens sommet à la base, ils ne veulent pas, ils veulent toujours maintenir l'opinion vraiment de l'obscurité. On va, on va aller chez. Peut-être vous, du Djibril, euh, vous avez quelque chose à ajouter rapidement, juste une minute. Oui, en fait, euh, c'est très euh, pertinent ce qu'il soulignait tantôt quand il parlait de ces journalistes qui ont eu maille à partir avec la justice pour avoir justement. Vous faites allusion aux journalistes du, de l'hebdomadaire Le Courrier euh, non, non, euh, ça remonte euh, encore à une période un peu plus ancienne, mais je voulais juste dire que il est important à ce niveau de mettre un accent très particulier aussi sur la formation à la fois des journalistes, des acteurs de la société civile aussi, et parce que l'accès aussi à l'information euh, suppose aussi euh, le respect de ce qu'on appelle les règles de l'éthique et de la déontologie. Euh, une éthique et une déontologie qui sont, j'allais dire, omniprésentes dans le travail du journaliste. il est important que, d'une part, le journaliste lui-même soit imbu des valeurs qui sont euh, qui sont diffusés ou disons qui sont défendus à travers euh, le code d'éthique et de déontologie, mais d'autre part, il est important aussi que les citoyens euh, ça peut être ce fonctionnaire qui détient cette information, que lui-même, il comprenne la nécessité de, permettre au débat citoyen de se faire, la nécessité de permettre à la transparence de s'exprimer à travers une information de qualité. Parce que l'avantage d'avoir euh, cette information euh, de qualité, c'est que ça, ça ne fera pas le lit à certaines supputations, à la diffusion aussi euh, de certaines fausses informations. Alors, alors, alors, quelles sont les procédures à suivre pour un journaliste, par exemple, pour accéder à une information ou un document administratif quelconque Avant de répondre à cette question précise, on va peut-être suivre la réaction d'un directeur de publication que nous avons rencontré ce matin. On l'écoute les gens sont très réticents de vous livrer certaines informations. Ils pensent souvent, et ils disent même ça, qu'ils ne sont pas aussi peut-être protégés, ou bien ils pensent que les journalistes vont divulguer eh, ça bien l'information, alors que les journalistes ne doivent pas, en aucun cas, ne peuvent pas divulguer sa source. Deuxièmement, c'est surtout les comportements peut-être des journalistes qui font en sorte que les gens eh, n'ont pas confiance de vous donner ou bien de vous livrer certaines euh, informations. Si du comportement puisqu'il y a des étapes, il y a ce qui a été prévu pour obtenir cette information. Alors si peut-être la personne utilise d'autres canaux, troisième chose, aussi il y a l'aspect politique qui est là. Euh, les gens sont aussi étiquetés. On dit ça, il est de notre bord politique, l'autre n'est pas de bord politique. C'est des préjugés. On juge les gens en fonction de votre tendance ou bien de la ligne peut-être que vous défendez. Or, en principe, l'information est publique. On doit vous donner euh, le document que vous cherchez. Que faut-il faire pour que les journalistes aient accès à l'information Continuer à sensibiliser, surtout au niveau étatique, dans euh, les différents services c'est ça et surtout la difficulté, qu'on essaye de sensibiliser davantage les agents de l'État et les autres entités administratives Il y a déjà une loi qui existe par rapport à la charte textuelle à l'information. On a nos et nos cartes de presse. Donc si, malgré l'obtention de la carte de presse ou bien de votre page euh, de l'organe que vous travaillez, on vous refuse de, de vous délivrer l'information, ça je voudrais que j'ai peut-être c'est encore une connaissance, quelque part des peut-être de cette loi ou bien des, des textes de la République. La presse n'est pas là pour vilipender. Moussa Maman Murtala, communicateur du Conseil supérieur de la communication, vous venez là, vous venez là de suivre les préoccupations de ce directeur de publication. Quels euh, quel commentaire cela suscite en vous d'abord, je dois vous rappeler que <clears throat> pour le CSC, il est important d'avoir euh, de la qualité dans le travail journalistique. <clears throat> Et c'est pourquoi je voulais euh, très rapidement le rappeler, ce plaidoyer-là que nous avons fait pour euh, justement faciliter ou bien accélérer le processus de, de la prise, en fait, de la signature du décret d'application de la loi, il est relatif au fait que euh, jusqu'à une période récente, quand même, tous les journalistes qui ont eu des démêlés avec la justice, c'est pour des questions de diffamation ou un grand nombre d'entre eux, des questions de diffamation relatives au non-accès justement à l'information publique. Et du coup, il faut bien sûr euh, faciliter cela. Et comme euh, il l'a dit, évidemment, il faut sensibiliser. Mais je crois que avant même euh, peut-être d'atteindre ce niveau, il y a des recours relativement à, une information publique. Vous demandez une information à une personne qui est censée vous donner euh, l'information, elle refuse. Le premier recours, c'est ce qu'on appelle euh, le recours gracieux. C'est demander à cette personne de revenir sur sa décision de, refus. Ok? Donc, l'acte, c'est en fait l'acte qui est, qui est, une, si vous voulez, une violation de la loi. Ok Donc, après le recours gracieux, c'est il y a le recours hiérarchique. Par exemple, est-ce que, le responsable est tenu d'exécuter euh, ce recours gracieux dont vous faites allusion là Oui, euh, quand, quand vous demandez, par exemple, vous demandez une information, par exemple à mon niveau, euh, à la direction de la communication du CSC et que je vous refuse cette euh, information, quand bien même, euh, bien entendu, la charte d'accès a, <coughs> a, défini ce qui est communicable comme une information et ce qui ne l'est pas. Confidentiel. Voilà, d'accord. Donc, si vous me demandez une information et que je vous la refuse, vous me demandez, vous faites un recours gracieux en me demandant de reconsidérer ma position par rapport à cette information. Si je refuse, sous, sous, forme écrite, euh, ou sous quelle forme <coughs> euh, Que ce soit écrit ou verbal, euh, c'est la même chose. donc, vous faites un recours hiérarchique. Maintenant, vous allez au niveau, par exemple, en ce qui concerne mon cas, vous allez voir le secrétaire général. Si lui-même refuse, <coughs> ok, vous pouvez aller vers le président qui, si lui refuse, maintenant vous avez la possibilité de faire un recours euh, devant, le Conseil d'État. <coughs> Pardon. <coughs> Donc, <coughs> là, ce Conseil d'État-là, il va statuer par rapport à l'acte de refus, à l'acte de refus de donner l'information. Moussa Mamar Mourtala, on va passer la parole à Seydou Djibril. Seydou Djibril, vous finissez là. Euh, euh, Moi, je veux juste dire deux choses. La première chose, c'est que euh, vous voyez, euh, souvent, il y a je, comprends un peu le souci souvent euh, des, gouvernants à vouloir légiférer dans toutes les matières, mais la spécificité même du métier de journaliste, c'est que c'est un métier qui ne doit pas être trop codifié, parce que c'est là la codification absolue du métier est souvent attentatoire à la liberté même d'expression. Euh, voyez que euh, si euh, un fonctionnaire, pour une raison ou une autre, comme le soulignait tantôt Lamine Suleiman, ne veut pas donner une information, toutes ces, ces, étapes de recours, ça peut être très long. L'information, c'est quelque chose de très périssable. C'est quelque chose, si vous êtes dans une investigation journalistique, euh, c'est une procédure qui peut durer trois mois, mais peut-être que vous, vous êtes... Euh, vous, vous, vous, jouez contre la montre, comme on dit. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est d'insister surtout sur l'importance de l'accès à l'information. D'une part, parce que euh, euh, l'accès à l'information permet aux gouvernants eux-mêmes de s'amender. L'accès à l'information permet aux citoyens d'avoir de la bonne information, mais aussi et surtout cela répond au principe de, la reddition des comptes, au principe aussi de la redevabilité, parce que dans une démocratie, quand vous êtes dirigeant, vous devez rendre compte. Donc, c'est quelque chose en principe qui doit être euh, de très simple, de très banal, j'allais dire. On a l'habitude de, voir dans ce pays des enseignants, des simples enseignants qui donnent, qui accordent une interview à des journalistes, ils sont radiés euh, de la ou bien Justement, tout ça, en fait, c'est parce que euh, tout à l'heure je disais que mm, en, dépit de la démocratisation qui est, en cours dans nos pays depuis 25 ans maintenant, nous avions continué à conserver certains réflexes qui datent euh, de certaines périodes qui ne faisaient pas euh, le champ à la liberté. Euh, merci. Euh, rapidement, rapidement. Rapidement, à force de, dire que la procédure est longue, je crois qu'on ne peut pas, on, risque de ne pas passer le premier palier. C'est déjà, je crois que c'est déjà euh, des dispositions qui sont là et auxquelles on peut avoir accès. C'est juste. Euh, Lamir directeur général du groupe de presse Niger 24, vous venez là d'écouter ce directeur, les préoccupations, les cris des cœurs de ce directeur de publication en ce qui concerne l'accès euh, à l'information et aux documents administratifs. Euh, quel commentaire oui, bon, le premier commentaire, hein, tout à l'heure, je disais que <coughs> quand vous avez des acteurs, des gens qui sont en face de vous, qui sont censés vous aider à faire œuvre utile, à, informer euh, l'opinion, à faire votre travail, votre mission, de, accomplir une mission de service public, si les gens qui sont en face eux-mêmes ne sont pas sensibilisés, ils considèrent que le fait de, de, se prêter même aux questions d'un journaliste, euh, c'est un péché. Ils considèrent que le fait même euh, de recevoir un journaliste dans son bureau, pour l'écouter. Tout ça, là, ça peut leur créer un problème. je ne sais pas si vous comprenez la situation, elle est tellement grave. Aujourd'hui, il y a un truc, euh, je dirais même sorte de conflit entre ceux qui sont censés nous fournir les informations et les euh, acteurs de l'information, les journalistes eux-mêmes. Il y a une situation euh, conflictuelle qui est là. Dès que tout à l'heure, je vous ai dit que oh, quand vous, vous pointez dans un service, par exemple, je prends un exemple banal comme ça, l'hôpital national, vous voulez connaître les statistiques sur, sur de césariennes. Mais tout de suite, le, premier responsable va vous faire comprendre qu'est-ce que vous cherchez ici. Ne m'écrivez pas pour sortir de mon bureau, on m'a interdit de recevoir un journaliste. Donc, une, administration qui fonctionne au rabais, où les gens ne sont pas sensibles, ne sont pas, du je dirais, même civilisés ça va être un problème. et de l'autre côté, les journalistes, et tout à l'heure Gibril l'a dit, ils ne doivent pas attendre il faut une course contre la montre, ils veulent donner une information. Au niveau de votre Je ne suis pas d'accord quand on me dit il faut procéder à des recours et gracieux recours euh, jusqu'à trois paliers, aller saisir euh, un conseil d'État pendant que là pour quelqu'un qui fait pour quelqu'un mais tout ça tout ça c'est des pièges, tout ça c'est des pièges, c'est des codes qu'on a placés pour retarder les gens, pour empêcher aux gens de faire leur travail. Pour quelqu'un qui fait des recherches universitaire qui est dans le monde de la recherche. Tout ça, il peut prendre un an, deux ans en train de faire des recours à recours. Au niveau de votre organe Niger de presse, comment les journalistes font pour accéder à l'information et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent ah, Les difficultés, c'est partout, hein, dans tous les, trucs. On part, on sait qu'on veut vérifier une information. Chez, chez, chez Murtala au CC, on va tout de suite le trouver. Murtala, voilà ce que nous voulons vérifier comme information. Il refuse de donner l'information. Assez souvent, qu'est-ce que les gens font Parce qu'ils ont tellement soif de donner leur info, ils disent nous avons tenté de rencontrer le premier responsable, Murtala, qui est censé nous donner. Murtala, ah, mais, justement, c'est ça, c'est ça le problème. Et ce qui fait que les gens versent dans les spéculations. Restez en compagnie du studio Kalangou, notre débat a continué. La deuxième partie de ce forum traite de l'utilisation des réseaux sociaux comme canal d'information avec euh, le Niger qui poursuit sa révolution numérique dominée ces dernières années par un flux de citoyens vers l'utilisation des smartphones pour accéder à l'Internet, aux réseaux sociaux et autres, plateformes de réseautage social en dehors de tout cadre légal encadrant l'utilisation de l'Internet et les réseaux sociaux, le meilleur comme le pire s'y sont invités. Euh, on va commencer avec vous, Seydou Gibril, vous qui êtes euh, cybercitoyen. Euh, les réseaux sociaux peuvent-ils être un canal privilégié pour véhiculer des informations crédibles Bien sûr, vous savez aujourd'hui le monde de, l'expression tout court, ou disons de la communication, est fortement euh, révolutionné. Et euh, les, réseaux sociaux euh, apparaissent comme un moyen d'expression citoyenne, tout court. je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand euh, vous dites que euh, tout cela évolue dans un cadre euh, qui n'est pas réglementé. Vous savez, le principe de la liberté, de la liberté d'expression, c'est la liberté. je ne vais pas verser de la, la, liberté de diffamer, la liberté d'insulter, la liberté d'appeler à, à, la haine. Je n'ai pas fini. La liberté qui est elle aussi assujettis à ce qu'on appelle la responsabilité. Donc, autant, si on prend l'exemple de ces réseaux sociaux, autant vous avez des gens qui les utilisent, euh, j'allais dire, utilement, autant vous avez des gens qui peut-être, parce qu'ils n'en connaissent pas les enjeux, parce qu'ils n'en connaissent pas les méfaits, les utilisent autrement. Alors, dans ce domaine, qu'est-ce qu'on peut faire il faut, il faut davantage sensibiliser les, citoyens sur, beaucoup plus sur les enjeux liés à ces nouvelles plateformes d'expression. Quand je parle d'enjeux, c'est-à-dire que euh, il faut leur dire que ce sont des canaux euh, d'expression qui sont là qui doivent être utilisés à bon escient, qui doivent être utilisés pour améliorer euh, notre vécu, qui doivent être utilisés pour booster le développement de nos pays, qui doivent être utilisés pour exprimer aussi euh, notre désaccord par rapport à la gouvernance, qui doivent être utilisés pour aussi apporter notre soutien euh, à, différents efforts qui se font dans différents domaines. Mais il ne faut pas que, euh, à cause euh, du comportement de quelques internautes du reste marginaux, on, essaye de faire une sorte de syllogisme pour dire que tous ceux qui sont sur la plateforme sont potentiellement dangereux et alors il faut aller codifier et vous retombez dans la restriction, vous retombez dans la prédation de la liberté. Lamir Suleiman, directeur général du groupe de presse euh, Niger 24, euh, les réseaux sociaux peuvent-ils être un canal privilégié pour véhiculer des informations crédibles Bien sûr, ils sont, ils sont un canal, je dirais même, euh, euh, qui aujourd'hui est, indispensable pour nous tous dans le cadre de notre mission de service public pour informer les, les citoyens tout court. Avant l'avènement de ces réseaux sociaux, vous avez vu comment les gens c'est d'ailleurs la première partie de votre débat, le gens refusent de me donner une information. Mais aujourd'hui, le simple fait même de venir aller véhiculer une, une rumeur sur un réseau Facebook oblige la personne qui est assujettie à vous donner cette information à sortir, vous donner le document, malgré lui, ou vous, vous avez vu qu'il y a eu combien de fois les gens qui ont réagi, non pas parce qu'ils ont envie de réagir, mais parce qu'il y a eu une intoxication sur les réseaux sociaux. Donc, je dirais que c'est en cela qu'il faut saluer les, dieux de l'Internet, c'est très bien. Nous, ça nous permet de faire notre travail, de faire œuvre utile. Et je rejoins Gibril quand il dit qu'il ne faut pas mettre les gens tous dans le même diapason, comme quoi nous sommes tous des pestiférés, ceux qui, sont sur, qui animent les réseaux sociaux. Non, c'est faux il y a des gens qui, marginaux tels qu'il l'a dit, mais ceux qui n'ont pas envie de communiquer, c'est des gens qui n'ont pas, qui n'aiment pas la transparence. Moussa Maman Murtala du Conseil supérieur de la communication, comment éviter les insultes et les appels à la haine sur euh, les réseaux sociaux C'est extrêmement, <laughs> c'est extrêmement difficile de répondre à cette question, mais quand même, euh, je pense que <clears throat> pour éviter les dérives, notamment sur ces réseaux sociaux qui, par définition, restent des, espaces privés. Hein. Donc, <clears throat> je pense que c'est, comme l'a dit Gibril, c'est, euh, si vous voulez, la sensibilisation et, appeler euh, les utilisateurs justement de ces réseaux-là à de la responsabilité dans tout ce qu'ils posent comme acte. Il est vrai que on peut poser un acte anodin euh, sur ces, sur ces réseaux sociaux-là. C'est une expression anodine, mais qui peut euh, à la fois s'avérer bonne, comme ça peut avoir des, des, des, des, des méfaits. Qu'en est-il de la presse en ligne ah, La presse en ligne, euh, c'est totalement différente. C'est comme toute autre presse pour, par exemple, pour réguler la presse en ligne, c'est beaucoup plus simple que les réseaux sociaux dans la mesure où euh, on connaît qui est journaliste. Euh, de ce de ce site par exemple de ce blog etc et les commentaires qui s'en suivent Bon, les commentaires, justement, ça donne libre accès euh, à, toute forme de commentaires, que ce soit euh, constructif comme euh, destructif. C'est Gibril, euh, rapidement, comment réguler la presse en ligne C'est très simple. Il suffit d'aller vers l'élaboration d'un code. Rapidement, une minute. D'aller vers l'élaboration d'un code de la presse en ligne. Et comme il l'a dit, la presse en ligne n'est pas totalement différente de la presse ordinaire, entre guillemets. Maintenant, c'est que c'est au niveau de euh, comment on appelle euh, ce que c'est le support qui a peut-être évolué. Mais je voulais juste dire que quand vous parlez tantôt de la modération des insultes, etc., vous savez, quand on prend les réseaux sociaux, euh, notamment Facebook qui est le plus populaire, vous êtes maître de votre propre page. Si quelqu'un vient euh, y proférer euh, des, des, des, insultes et autres, vous pouvez, vous pouvez le censurer. la même manière, de la même manière, si c'est un journal qui est en ligne, euh, vous, normalement, juste, on doit avoir un dispositif de modération. Lamine Souleymane, un mot par rapport à la presse en ligne. comment faire pour réguler rapidement en une minute non, mais je crois que c'est le pouvoir public qui lui appartient de prendre ses responsabilités euh, pour euh, qu'il y ait un texte euh, qui peut permettre de, de réguler. Sinon, c'est une bonne chose de réguler. On parle de responsabilités en même temps il y a la liberté d'expression. Cela suppose que c'est même, une urgence pour euh, les autorités en charge de ces questions de, de réguler mais d'éviter aussi de faire la restriction, de, de restreindre cette liberté pour euh, qu'il n'y ait pas souvent de blocage de certains sites ainsi qu'on l'a vu dans certains pays. La troisième et dernière partie de ce forum traite de la problématique liée à l'accès des citoyens euh, à certains médias euh, dans un environnement économique difficile pour les entreprises de presse et les annonceurs. Alors, l'ami Suleiman, vous qui êtes responsable d'un organe de presse, comment un citoyen lambda peut-il avoir accès à un organe de presse pour faire passer son message rapidement en une minute, on n'a pas assez de temps. Mais, ça, c'est aussi simple comme de l'eau à boire. Un annonceur, il, il, tient compte d'abord de l'audience de l'organe. Est-ce qu'il peut être satisfait en faisant passer son message là-bas C'est tout, c'est le seul baromètre qui lui indique l'organe. Il a une audience, il est suivi, donc, ça veut dire y a forte chance que son message soit écouté. Certaines activités des, partis politiques, des syndicats ne sont pas passées dans d'autres organes de presse. Ah, mais ça, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu aussi. Hein. nous sommes tous des entreprises de presse par vocation qui cherchent euh, de l'argent. Donc, euh, si jamais vous ne payez pas euh, une couverture médiatique ou un message publicitaire, c'est normal que les, médias ne passent pas vos, vos messages parce que nous ne sommes pas quand même une ONG, on cherche de l'argent. <laughs> Murtala, Moussa Maman Murtala, quelles sont les modalités d'accès aux médias à travers les partis, notamment les partis politiques, les associations et les syndicats. Ok, alors ici, il faut rappeler qu'il y a les médias privés et les médias publics. Les médias privés, comme l'a dit euh, clairement Suleiman, c'est qu'il faut payer justement, par exemple, si c'est des activités de communication. Mais si c'est des questions euh, de notoriété publique, ils n'ont même pas besoin d'attendre que quelqu'un veuille accéder à ces médias. Là, ils vont aller chercher l'information. Par rapport aux médias publics, euh, justement, euh, la loi a, déterminé euh, les, modalités d'accès aux médias publics, notamment <coughs> les partis politiques, les associations, les syndicats, etc. etc. tout récemment, le CSC a publié justement un rapport de monitoring d'accès aux, médias publics. Donc, euh, c'est une question déjà réglée. Je crois qu'il faut juste faire la demande au niveau du CSC et remplir les conditions pour y accéder par rapport aux médias publics. La musulman, vous n'avez pas la parole. C'est du Djibril. Euh, excusez, c'est du Djibril. Euh, quelles sont les modalités selon vous d'accès aux médias par, à travers notamment les partis politiques, les associations et les syndicats Bon, euh, <clears throat> les modalités sont déjà définies par des textes comme il le soulignait tantôt, mais moi je pars au-delà. Vous savez, euh, il faut qu'on évite aussi ces clivages de médias publics, médias privés. Un média, euh, qu'il soit estampillé public ou privé, il accomplit ce qu'on appelle un service public. Donc euh, il y a euh, justement euh, cette question aussi de l'économie, en fait, des médias, parce que les médias, à côté de l'information, ils font du business, comme il le dit, et il faut en tenir compte parce que tout organe de médias, son pavillon, c'est la publicité. Et on ne peut pas concevoir la survie, la prospérité des médias euh, sans qu'il y ait euh, une bonne santé économique, une bonne santé financière. Donc, euh, il faut nuancer quel type d'entrée dans les médias, entre guillemets. C'est-à-dire, vous avez des entrées qui sont forcément payantes, comme il le soulignait, quand vous avez également certaines sollicitations qui sont. On va, on va permettre euh, à l'amie l'ami Suleiman du Niger, du groupe de presse Niger 24 de clôturer euh, rapidement. L'ami Suleiman, vous avez certainement quelque chose à dire. Oui, certainement quelque chose à dire, c'est par rapport aux médias publics. Je dois dire qu'aujourd'hui, les médias privés font plus cette mission de service public à laquelle Cédou faisait allusion que le média public. Les médias publics ne font même pas des activités à caractère purement public où les citoyens attendent le retour de l'information ça ne passe pas tant que vous n'avez pas payé. Aujourd'hui, les médias publics, tout, le monde peut le témoigner, tant que vous ne payez pas un seul copec, ça ne passe pas. Pourtant, les privés, assez souvent, c'est de simples invitations et ils vous donnent un temps d'antenne mieux que là où vous partez vous donner votre argent. Cette question, il faut que le régulateur prenne ça en charge, sinon il n'y a pas d'équité il est là, il est, averti, il est averti. Bon, euh, nous sommes, au, nous, sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Moussa Mamana euh, il est le communicateur au Conseil supérieur de la communication. Il y a également euh, Seydou Djibril, journaliste et cyber-citoyen. Il y a avec nous également dans ce studio Lamine Suleiman, directeur général du groupe de presse Niger 24. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité fidélité au programme du studio Kalangou. Au prochain rendez-vous, demain, jeudi 23 février, même heure, même fréquence, vous serez en compagnie avec euh, Mariama Diallo Kenda pour parler euh, de la recrudescence du phénomène de viol au Niger. Merci et au revoir.